implantation des usines pose problème. Et nous avons qu'aujourd'hui, les études d'impact ne font pas l'unanimité et ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires d'État. Il n'y a pas eu des enquêtes publiques, il n'y a pas eu des audiences publiques qui respectent les normes, parce que les gens euh, s'étonnent et s'inquiètent de voir aujourd'hui que ça pousse comme des champignons. Qui délivre l'avis technique, le certificat de conformité au niveau de la pêche Pas de réponse, parce qu'on ignore c'est pour ça que nous voulons que les gens se retrouvent autour maintenant des tables de concertation et que des concertations soient posées entre les institutions pour avoir un partenariat fécond et qu'on puisse maintenant servir ceux pour qui on décide que nous sommes. Nous ne pouvons pas subir aujourd'hui ces décisions qui nous viennent de là-haut, alors que quand on fait la traçabilité, on remonter pour voir d'où ça vient, qui a parlé, qui est responsable, on n'arrive pas à se soutenir. Et vous avez raison de dire qu'il y a la menace. Elle est persistante sur la question du pétrole. Il n'y a pas de risque zéro. Et je pense que euh, les études d'impact doivent faire l'objet d'autres analyses, parce que les commissions d'analyse environnementale, c'est-à-dire que la commission néerlandaise avait refusé certaines études d'impact au niveau du Nord. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas des enquêtes publiques, on ne peut pas aboutir à une audience publique. Et l'enquête publique, c'est une question de droit humain. Aujourd'hui, les populations doivent connaître, savoir, être informées et participer à toutes les décisions. Nous ne pouvons pas être de ceux qui subissent. Nous sommes de ceux-là qui doivent participer à la gouvernance parce que le milieu sera impacté. Quelle est la reconversion pour les pêcheurs Quelle est stratégie mettre en place pour la gestion de la pêche et du pétrole C'est des choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent et en discuter grandement, parce que c'est des choses qui nous concernent. Et nous avons vu deux pays qui en ont aujourd'hui des expériences, qui ont des pays leaders, tels que la Norvège. Mais nous avons aujourd'hui des conditions climatiques que nous ne maîtrisons pas, des conventions que nous cherchons à respecter, alors que le pétrole vient maintenant d'apparaître. L'espace sera réduit non seulement entre les champs et les puits, mais l'espace sera réduit sur la migration de l'espèce. Et ces espèces, c'est des espèces de migration côtière. Alors, quand il y a aujourd'hui les systèmes, de, les campagnes sismiques, les dynamiques aujourd'hui, les répercussions, ça change aujourd'hui. Non seulement la traçabilité de cette migration euh, pélagique, mais ça change les espèces de fond. Et ça bouleverse aujourd'hui les mammifères qui aujourd'hui vont être délocalisés. Alors, puisqu'on va, va vers l'exploitation, puisque euh, euh, nous, devons être interpellés à mettre en place un dispositif d'air marine protégé. Ce que par exemple, nous avons pétrole et gaz aussi. Si 718 km, vous savez qu'il y a des gens qui ont été fait des 2 des Rufisque, fait des Nous pétrole, et gaz. Nous des gens qui sont aussi Guinée-Bissau. espace bi nga xam ni moom lañ am war am pour napp nga xam ni fi ñuy fi ñuy koy fi ñuy defee bi bëgg def exploration bi ala la culial digganteem ak 500 mètres wala 1 kilomètre dañ dañ ko boo ko bàyyee pêcherie yi day gën sori te léegi te ñun par exemple technique bi nu am ci wàllu napp ak leneen gis nañ ni euh, yeneen dëkk yi nga xam ni moom la ñu bokkal afrique sax ñoom amuñu ko afrique surtout afrique de l' kon technicité bi nga xam ni moom la nappkat yi am bu lolu demé ah, di démé té amul ndampay amul ay pexé yo xamni par exemple war nañ ko sét pour ñooñu bu fekkee dañu ñàkk seen métier ci loolu ñoom fu leen yóbbu pour ñu mën defa pour ñu mën di suturlu ak di terlu kon donc day an ay jafe-jafe booleeg nag pression bi ñuy def bu boobaa day gën a yàq day gën a yàq géej gi parce que pétrole ak gaz il faut nga am moyen de contrôle yoo xam ni ngay def pour que en tout cas ñi nga xam ni euh, ñoo leen ñoo ci nappkat ñooy yi du leen impacté